on se battu pour autre chose. Aujourd'hui, on se bat pour autre chose. Aujourd'hui, on se bat pour des ne pas changer à six mois des élections des règles électorales, sans un consensus. Cette décision du président Macky Sall a été annulée. Nous n'accepterons pas que les Sénégalais votent avec des récipices. Nous n'accepterons pas qu'on vote avec des permis des passeports, parce que ce ne sont pas des documents qui reconnaissent la loi électorale. La loi électorale est claire, la carte électorale. Donc, dites de mon droit, de mon devoir aujourd'hui de venir saluer un ancien président, saluer un grand-père, saluer un patriote et saluer aussi le sang de combat politique au Sénégal. Les cartes doivent sortir. Si les cartes, nous sortons, nous serons dans la rue. Nous serons dans la rue jusqu'à ce que le président Macky nous donne nos cartes. Tout le monde a vu que les militants de Ben Yaka ont des cartes et les nôtres n'ont pas de cartes. C'est ça qui est inadmissible. Nous en sommes à quelques jours du jour J, vous donnez un ultimatum Je vous dis qu'à l'heure où je parle, il faut reconnaître effectivement que les cartes sont en train d'être acheminées dans des centres de vote. Nous continuons à observer et nous serons vigilants. Nous n'accepterons pas que les gens votent avec autre chose que carte lecteurs. Macky Sall a pris 50 milliards de contribuables sénégalais. À lui, aujourd'hui, de confectionner des cartes et de les donner aux Sénégalais. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la peine de se discuter. Il faut que Macky Sall comprenne qu'il est une institution, mais nous sommes un peuple. Et à ce titre, le respect est réciproque. Et je pense que, comme disent les Wolofs, parce qu'il n'est pas question pour nous de reculer par rapport à un droit constitutionnel qui est le droit de vote. Ah, Abdoulaye Wade est une, est une école nationale. Abdoulaye Wade est un patrimoine national. Abdoulaye Wade n'appartient pas à PDS, Abdoulaye Wade appartient à tout le monde. Donc nous avons euh, échangé. Euh, je lui ai donné mon point de vue par rapport à ce combat et je pense que nous nous retrouverons Inch'Allah, pour voir comment faire face par rapport aux futures chances à venir. Parce que ce régime en place aujourd'hui est un régime finissant. C'est un régime, nous avons besoin de le balayer. Parce que c'est une œuvre salubrité publique que le balayer ce régime d'incompétent et d'ignorant. Est-ce qu'on vous connaissez le contenu de votre discussion Je préfère seulement vous dire que ça a été une discussion très cordiale, euh, empreinte d'émotion. Et comme je l'ai déjà dit, Abdoulaye la est un patrimoine national. quitté Fatih pour venir à Dakar. J'étais à Sandaga et malheureusement la marche a été euh, interdite par le préfet. Mais ça nous a pas empêché nos candidats d'apporter les ruelles de Sandaga pour euh, à notre manière. Là je suis à... la

Organisation présidentielle anticipée. Ah bon, pourquoi Mais parce que tout simplement, il y a trop de tâtonnements avec ce gouvernement. Quand on prend un premier ministre, on n'hésite pas à investir, On n'hésite pas à investir dans ces listes, électorales, ces listes législatives, quand on prend le ministre Amadouba pour l'investir à Dakar, quand on prend les ministres pour les investir c'est des choses ridicules. Quand on, euh, se permet de prendre 50 milliards, 50 milliards de nos francs pour euh, dire à 5 jours des élections que 30% des ayants droit n'auront pas leur carte d'électeur, c'est un aveu d'échec. Et par conséquent, moi, la chose la plus facile, c'est l'organisation d'une présidentielle anticipée. Je suis tout à fait contre. Je suis tout à fait contre parce que ça va amener, ça va aggraver le bras ça va, ça, va, ça va créer des faux résultats, ça va permettre à, beaucoup de personnes de voter à plusieurs reprises. Donc on est tout à fait contre. Voilà. Le problème qui se passe actuellement, on constate que le gouvernement a échoué. On constate que le gouvernement est incapable de distribuer des cartes d'électeurs aux ayants droit. Et ça, c'est des choses inadmissibles. Eh, def nañu marche jógee place BCEAO Sénégal avenue boulevard Charles de Gaulle def marche bu ministère jox booba eh, ministre de l'intérieur léegi ñoom ñu eh? ngi manifester bis bu ne buntu gris palais présidentiel si mën nañu bëgg démb Amadou Ba. ak i gars yi ñu ngi woon pour Macky Sall donc gâcher le pouvoir il faut manifester le droit gâcher l'opposition on dit non, on la ci am. non mais ça de droit.